bonjour et bienvenue à tous pour cette émission qui s'annonce captivante et pleine de découvertes. Il est 11h à Niamey et c'est l'heure du Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Samira Wafi et avec moi Maria Madé. Ce matin, la technique est assurée par Seini Isaka et à l'édition, notre infatigable dame de fer Adam Dawaki. Comment tu vas, Maria Je vais bien, Samira, et toi Oui, ça va. Super, c'est parti alors pour une heure de programme bien garni, n'est-ce pas Samira Et eh oui Mariam, le flash euh, info plantera le décor. Ensuite, euh, nous aurons nos différentes rubriques telles que le loti, l'éducation numérique comme chaque jeudi, un reportage région qui nous amène à Tilabiri, sans oublier notre playlist 100% musique nigérienne, le portrait et la page sport. De la rubrique invitée du jour, nous recevons un jeune talent qui fait ses premiers pas avec force dans les rap et qui parallèlement évolue dans le cinéma. Il s'appelle Ismaël Oumarou Faleke alias Ismo Banks. Bien évidemment, avant de clôturer, on aura notre mot de la semaine en full full day et vos messages, chers auditeurs. Eh bien, c'est parti pour une heure d'infos et de divertissement à présent sur le Flash Info présenté ce matin par Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Mariam, bonjour Samira et bonjour euh, chers auditeurs. Commençons ce Flash Info avec euh, la journée mondiale de la population qui est célébrée ce 11 juillet sous le thème Exploiter les pouvoirs du donné inclusif pour un avenir résilient et équitable pour tous. Dans son discours à cette occasion, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel colonel-major Garba Hakimi a déclaré que deux objectifs sont visés à travers cette journée, sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur les questions de population et de développement afin de susciter une mobilisation sociale pour un changement de comportement. Enfin, la direction de la police judiciaire a interpellé un individu soupçonné d'être auteur de plusieurs vols à Niamey. La police a saisi l'affaire et immédiatement ouvert une enquête suite à un vol, un cas de vol euh, de nuit perpétré contre l'institution financière Kazef. Les résultats de l'enquête ont permis de retrouver et interpeller l'individu de sexe masculin âgé de 38 ans. Il a été recours, il a reconnu les faits et avoué que plusieurs autres cas de vol sont à son actif. Les préjudices causés s'élèvent à environ 45 millions de francs CFA. Son, véhicule lui servant de mobilité a été également saisi. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi aussi, Kokaya, pour toutes ces informations. Passe une belle journée. Voilà, chers auditeurs, on l'a annoncé en titre. Notre invité du jour, euh, c'est Ismo Banks, un jeune artiste, comédien et rappeur. Avec lui, nous verrons comment il concilie euh, ces deux domaines de l'art. Bonjour Ismo, ravi de t'avoir avec nous. bonjour à vous. En vrai, c'est beaucoup plus beau en vrai. Hein avant de te donner la parole, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec une intéressante collaboration sortie il y a juste deux semaines. Chers auditeurs, voici pour vous le titre Tricolore en featuring entre notre invité Ismo Banks, Bad Boy et Faisal Parker. donner le tempo, il me faut des zéros par le temps pour les michto à l'esprit. Pourquoi euh, dire un mec qui a son zomzomae Parce que quand on dit lapin, <laughs> on dit qu'il est intelligent, mais là, c'est les ennemis qui sont devenus des lapins. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès euh, On a voulu prendre la gimmick moi qui a son dans un sens où il y a des ennemis, oui. Mais ils voudront toujours faire d'une manière à ce que toi, tu t'en rends pas compte. Donc, du coup, on a voulu faire ça de manière euh, hyperbolique au fait. En bref, euh, ils sont devenus intelligents. Voilà. <laughs> Dans l'art de la manipulation. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre tricolore. J'espère que vous avez kiffé. C'est le moment de retrouver notre invité du jour, euh, comme je viens de l'introduire, Ismo Banks. Je continue. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le monde de la musique et choisir le rap comme moyen d'expression Honnêtement, et je dirais en vrai de vrai, je dirais c'est c'est juste à force d'écouter trop de musique, trop de musique, trop de musique et tout. Je veux pas sortir ce discours bisounours où voilà certains vont dire que ah non moi j'écoutais un tel, un tel, un tel. Tôt ou tard en fait, tant que tu écoutes de la musique ou plutôt à force que tu es dans un cadre où à chaque fois il y a de la musique à côté et tout, tôt ou tard ça va te ticter. Et je me souviens c'est en début de cinquième hein, et voilà, à force d'écouter de la musique, et après tu, te, tu essayes de gratter quelques quelques petits trucs, et voilà, après tu te lances un peu donc, <laughs> donc on peut dire qu'aucun groupe euh, artistique ne vous a inspiré à vous lancer euh, dans ce style musical Dans le, ce style musical, je dirais la calcanée honnêtement, parce que quand on écoute le titre euh, Tricolore, mhm. chacun est resté dans son univers. L'autre est venu avec ce côté fédérateur. Mhm. Moi, je suis venu avec ce côté un peu ego trip. Et mhm. l'autre, il a fini son couplet avec ce côté un peu lover et tout. Mais sur le refrain, on a amené ce côté Hausa. Mhm. mais plus français encore. Et là, quelqu'un aussi le faisait auparavant dans les années 2002-2003. Et c'était un peu ça, même les Waswang et autres. Donc c'était un peu, on voulait pas faire pareil, mais plus amener une, une sonorité nigérienne, parce qu'en ce temps, il y avait de la sonorité. Et c'était ça un peu qui nous démarquait et tout. Alors, euh, Ismo Banks, euh, dites-nous, depuis le début de votre carrière, vous enchaînez les collaborations. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Et c'était un choix. Pourquoi je dirais que c'était un choix Quand tu évolues en tant qu'artiste solo, il y a deux choses que tu dois te poser comme question. Déjà, quand tu viens, qu'est-ce que tu apportes sur la table C'est quoi ta différence C'est quoi ta particularité Mais encore, qu'est-ce qui va te démarquer des autres rappeurs Donc, quand tu viens en solo, sur le premier coup, c'est pas facile. Après, il y a ceux qui arrivent à le faire. Mais moi, euh, je me suis dit, ok, au lieu de passer par l'autre chemin, change la cadence et enchaîne avec des collaborations. Là, les gens vont voir un peu, surtout les styles, que ça soit de la mapiano, de l'afro trap, du rap hardcore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc prochainement, quand tu vas venir avec un projet solo, ça va pas surprendre quelqu'un que voilà, tu as fait, essayé tel style ou tel style, un truc comme ça. Donc c'était ça, c'est un peu ça l'idée. Après, tu reviens avec quelque chose plus, euh, plus réfléchi et plus, plus élaboré et voilà quoi. C'était ça en tout cas l'idée et tout. Alors, vous pouvez nous dire comment envisagez-vous de vous démarquer dans l'industrie musicale saturée du rap Là, euh, je veux dire que je préfère la sortie que je prépare d'un peu soit euh, comment on appelle ça j'espère qu'elle sera bien accueillie et ça j'ai la firme euh, la conviction dessus donc euh, se démarquer c'est d'abord avant tout apporter quelque chose de nouveau mais de plus frais c'est vrai il y a beaucoup d'artistes qui le disent ah non moi je suis différent mais je suis différent mais après quand tu écoutes leurs produits ça laisse à désirer mais moi je préfère je préfère à ce que les, les auditeurs en jugent d'eux-mêmes et là après il y aura les feedbacks et on verra c'est un peu ça euh, maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez rencontré ou bien est-ce que vous rencontrez toujours des difficultés et qui sont peut-être en train de vous décourager à vous dire est-ce que je ne vais pas continuer avec les collaborations, ne pas me lancer en solo, un truc de ce genre Des difficultés Bon, des difficultés, mais il y en a, mais je dirais que c'est juste une question de mental. Hein. Mhm. C'est juste une question de mental. Il y a assez qui diront que non, c'est des difficultés, oui. Après, des difficultés, ouais, tu transformes ça en expérience, tu te dis, ah ok, là, tu as gaffé par rapport à quelque chose que tu n'as pas assuré, ou plutôt que tu n'as pas eu l'opportunité, que tu n'as pas saisi, bah prochainement, tu prends en compte et tu vas d'une autre manière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Et honnêtement, jusqu'ici, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont été vraiment sympas avec moi et qui m'ont tendu la main. Ça, je le dis haut et fort et j'en suis reconnaissant. Et non seulement avec les collaborations, ou plutôt même avec les producteurs et autres, honnêtement, ça va. Ça, je le dis. Super, alors quels sont vos objectifs euh, à, court et à long terme en tant qu'artiste euh, du rap émergent euh, À court terme, je dirais déjà apporter quelque chose de nouveau en termes de sonorité, mais aussi en termes de musicalité aussi. Il y a surtout ça. Parce qu'on est trop habitué à de la banalité, après, je dénigre pas ce que les autres font. Ça, faut le dire, faut respecter l'intellectuel artistique et tout. Mais apporter quelque chose de frais, mais encore de nouveau. Ça, c'est à court terme. Maintenant, à long terme, c'est de voir comment exporter la musique nigérienne au standard international. C'est ça la question. Et répondre au standard international, c'est pas un petit travail. Et le travail, on peut le faire. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à le faire Et actuellement, c'est sur ça que je suis. Donc, musique et cinéma. Donc c'est un peu ça, à travers la musique et Le cinéma, on va en revenir euh, après euh, cette... Euh, on va marquer d'abord une courte pause, on va revenir pour échanger avec toi par rapport à ce, septième art-là. Mais ce que nous retenons ici, c'est que vraiment il faut avoir le mental pour pouvoir évoluer dans le rap et tout, et surtout apporter du changement pour répondre aux normes internationales pour pouvoir bien évoluer. Super, nous allons souffler en musique cette fois avec le titre Projet X partie 1, une autre chanson de vos collaborations avant de de continuer nos échanges. Mon négocié c'est Niaï, pas Paris, t'as fait qu'il a MDNY. C'est la capitale, négo comme dans le GS9, et négo c'est Niaï. Ganazira dit chose à nous connaît, la concu nous connaît. Everyday c'est le ça comme jamais. Mon négro c'est paille, don't open don't boozy, Ajimoy. Nouveau du on my way. Wow. da kurame muke karo kawai baby ta bani lamba kawai tana so in gire ta kawai tana son cin kuɗi na kawai tana so in gama ta da wanta ta wai sai na bar ta kawai sai na koma kwallo da waka da kawai sun ce mahaukace to ya ne muke dora shayi ba kawai muna neman abinci kawai ko da ma za mu koma yan sai da kawai matasa na ta kuka kawai suna gaban matukin motar su kawai comme Shenzhen Puka verra dans le petit déj la dégaine négro tu vois qu'on est quelqu'un plus comme une basket. la chose aussitôt que j'ai une plus belle. Pour les c'est de la flemme, nègre le cul de ce petit 2, 2, 5, 2, 2, 7, 8, 4, LZ, P13, 8, 7, cartel. Tiens les busy et les fréquents. Canazi, est-ce que fondé dans la mer au Benz H comme les vers sur la drill. Vénère la concu est crier. Tu peux connaître jusqu'au Z. Devant moi, n'ose même pas crier. Il commence à rien faire ses PD. La te plus menace comme un bébé. Elle sur la scène qu'on protège, suis un sorcier flow illégal comme un bebe. Sale, fly, nègre t'as tes mains Ma mère a signé sinégricule, trop il vu qu'on cuise et tue. Mon négro c'est Nian, pas Paris, t'as feu qu'il a un bien noir. C'est la capitale, négro qui est comme dans le GS9, et négro c'est Nian. Ganazira dit ça nous connaît. La concu nous connaît. Everyday c'est le ça comme jamais. Ici ça. C'est le les gars moi, la dominangue. C'est le les gars moi, la dominangue. C'est le collègue à moi. Alors, euh, Ismo ça dit nous cette collaboration à Réni qui euh, on, était, on était cinq dessus. Il y, a, il y avait Haifa, Iskozi, euh, Faisal Parker avec lequel on a fait la toute dernière collaboration qui s'est renommée encore en, en nom d'artiste Toya Baba. Il y a aussi Yuslim et moi y compris sur le son et tout. Donc ça c'était la toute première sortie il y a de cela deux ans. Et on voulait automatiquement euh, venir avec un son où c'était de la performance. Vraiment de la performance, mais en ego trip. Donc c'était pour montrer que réellement on s'est rappé, mais apporter sur l'écriture et sur la technicité aussi quelque chose de, bon. Et c'était le premier son drill, ça faut le dire, faut le souligner. Donc c'était un peu ça et à sa sortie ça fait pas mal de buzz, ça faut le dire. Parce que la vidéo aussi elle a tourné, tourné, il y a beaucoup de personnes même qui nous réclament jusque là pourquoi pas on clip pas la partie 2 et les autres parties aussi parce que c'était un épisode. Ok, si je comprends, donc euh, cette collaboration elle a réuni déjà pas mal de personnes et c'est en combien de séries Non, sur l'idée c'était 10 séries et sur chaque épisode c'était de ramener de nouvelles têtes. Mais sachant que les deux grosses têtes, ou plutôt je dirais les têtes d'affiches et tout, c'était moi et Faisal. Et à chaque fois on ramenait des nouvelles têtes, histoire de leur donner plus de force mais à aussi faire découvrir d'autres talents. C'était ça, ce côté fédérateur à chaque fois, à chaque fois et à chaque fois. Donc c'était un peu ça. pas Paris, tu dégaines ça fout la pagaille. Hey, t'as capté les bails. C'est pire en pire de ma maille, Oshi C'est Senyai. Tu sais plus à rien comme la B-Way. Que ton rien Les Négro, c'est nous les meilleurs. Néo, Codéon, Finarin, Eufon, Prometa, Dacta, 4-4, 8-7, 2-7, Umbrella, 8-7, 6-7, Dacta, Umbrella, Eufon, Prometa, hey, you slim. De retour au studio après cette pause musicale, nous continuons avec notre invité du jour, Ismo Bengsa. Vous êtes aussi dans le 7e art. Exactement. <laughs> Alors, euh, dites-nous comment jonglez-vous entre le rap et le monde de l'actorat dans votre carrière artistique euh, Déjà, quand tu es artiste, tu es appelé à être multitâche. Déjà, artiste avec grand A. C'est appelé à savoir être là, être là, être là et être là. Un métamorphe, si on peut dire. Donc, euh, pourquoi le cinéma Déjà, c'est quelque chose qui me plaisait dès au bas âge. Je vois un peu les gens, comment ils y jouaient. Je me demandais, mais attends, quelle, cette scène-là, comment il a pu s'adapter à tel rôle, tel rôle et tout. Et au final, là maintenant, avec la musique, j'ai baigné entre les deux. Et quand je vois des castings qui se posent, euh, qui se qui se font, comment on appelle ça et tout, je me porte volontaire et j'assiste au casting. Et là, petit à petit, j'ai enchaîné des films au fil du temps et là, ça enchaîne aussi. Donc, euh, le cinéma, là, je mets trop l'accent dessus parce que je me dis que le cinéma aussi, a quelque chose à faire aussi, aussi au Niger. Surtout ces deux dernières années, le cinéma nigérien évolue bien. Même si autant aux années antérieures et tout, il y avait vraiment des, des, personnes qui ont vraiment ouvert la porte. Et là, maintenant, c'est à nous aussi d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc quel aspect de la musique hip-hop et du cinéma vous inspire le plus Le vécu le vécu. Dans les deux Dans les deux, oui. Parce que j'ai remarqué que le cinéma, quand on, quand on lit la musique au cinéma et qu'on met l'accent sur le vécu, ça raconte quelque chose. Une histoire qui est bien euh, relatée, qui est bien scriptée, jusqu'à, comment on appelle ça, bien racontée et tout. Et honnêtement, avec du cinéma, ça, ça captive. Et c'est ce qui m'a toujours inspiré. Je me demande, mais comment les gens, ou plutôt comment euh, les gens arrivent à faire ça et tout. Et je me suis dit, mais avant de savoir comment, fais-le. Et là maintenant, au fil du temps, je me suis intéressé au domaine, au domaine, au domaine, ainsi de suite. Et là maintenant, j'enchaîne les formations et aussi je m'intéresse au truc et je me dis, il y a des choses à faire aussi. Alors, euh, dites-nous comment gérez-vous les réactions et les attentes de vos fans qui peuvent être différents pour vos performances rap et cinéma Bon, les feedbacks, les avis, il y en aura toujours. Mhm. Après, c'est de savoir comment tu vas les prendre et les améliorer à ta manière. Après, déjà, de base, la musique, tu l'as fait pour toi-même. Ça, faut le dire, la gratitude personnelle avant tout. Et après, tu fais ça pour les auditeurs. Maintenant, les auditeurs, c'est à prendre en compte. Les avis et tout, tu t'améliores, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu fournis de, de la bonne qualité. Ça, faut le dire. Et c'est un peu ça. Par rapport aux avis, non Je n'ai pas de problème et je peux dire que même mieux vaut avoir des avis même pour que même tu t'améliores au fil du temps et que même tu, tu y vas avec. C'est un peu ça. Alors, quels sont vos projets futurs et est-ce qu'il y a des collaborations que vous aimeriez réaliser euh, dans ces deux domaines artistiques Pour des collaborations, là au Niger, je me vois bien un de ces jours collaborer avec Safiat. Pourquoi Safiat, c'est la, c'est la seule artiste féminine, faut le dire, qui a su garder sa carrière de manière à ce que depuis 2002, j'ai dit bien 2002, Mhm. jusqu'à aujourd'hui 2024, elle a su garder cette, euh, cette patte à elle, à chanter, à garder cette image, mais aussi euh, humainement, c'est quelqu'un dont je peux dire que elle est fédératrice, ça faut le dire. Et je me vois bien collaborer un jour avec elle sur, pas même de sur de la musique, hein, peut-être au cinéma ou plutôt même sur un autre projet, je me vois bien avec elle. Et nos deux univers concordent. Et c'est un peu ça le truc. Enfin, dites-nous comment trouvez-vous l'équilibre entre l'expression sérieuse de vos messages à travers le rap et le mhm. rôle que vous jouez dans les films Bon, là c'est, c'est, je dirais, je dirais que c'est un peu vague pour moi, mais il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher l'un ou l'autre. Ça faut le dire parce que là les gens voient que je fais de la musique, du cinéma, mais ils oublient qu'à côté il y a les études. Et beaucoup de personnes se disent que quand tu fais les deux, forcément il faut que tu laisses l'autre pour enchaîner avec l'autre. Je me dis que c'est juste une question de d'organisation, d'envie, d'ambition, mais encore euh, de volonté. Donc là maintenant, les études, oui, tu fais des études, mais après, les études vont te servir à quoi Si tu évolues dans la musique, tu as fait des études, mais mais en évidence les études pour que ça te serve encore dans ta musique ou encore dans le cinéma. Donc c'est un peu ça que si on va pas abuser trop de ton temps, mais <laughs> on a une tradition ici au studio <laughs> ouais. quand nous recevons un artiste surtout qui chante, il faut qu'on t'entende un peu en acapella. En acapella. Je m'attendais déjà à ça. <laughs> Euh, je, vas-y, le micro est à toi. D'accord. Là, je veux partir sur un truc un peu mélancolique. Donc, euh, ça fait un truc. Ça commence avec des rires, ça finit avec des larmes. On se disait plus de mots, on se plaquait des armes. J'ai clamé ma sentence puis ne plus vraiment mon flamme. en flamme. À un souvenir, je toujours de la hargne. T'étais ma Jasmine, j'étais ton Aladdin. T'étais ma Jaconde, j'étais ton Davency. On On le sous nos rêves pour se barrer d'ici. Aujourd'hui, oh, j'ai de la haine face à tous ces souvenirs. Impossible d'oublier ton visage, ton sourire, ta voix. Tout est fini, j'ai de mal à y croire. Face à mon miroir, mes pensées sont noires. On avait une belle histoire, tu m'as laissé dans le parloir. De la déception, aucune compassion, tu m'as laissé dans le supplice. Donc c'est un peu ça. voilà, merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent à l'invitation du studio Kalangu. Nous te souhaitons une très bonne journée et bonne carrière. Merci à vous. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve juste après cette courte pause pour la rubrique hebdo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous allons discuter d'une étude récente publiée dans Plus One. Elle révèle un lien entre le partage de fausses informations politiques sur les réseaux sociaux, un trait des personnalités associées à la paroniaque et à des schémas de pensée perturbés. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, chef euh, Ousmane Alors bonjour, euh, donc aujourd'hui on va encore parler de fausses informations. Alors, euh, en effet, cette étude, elle apporte des éléments intéressants sur les raisons pour lesquelles euh, certaines personnes sont plus inclines que d'autres à partager de fausses informations, euh, surtout politiques, sur les réseaux sociaux. Alors, Plus One, ça s'écrit P-L-O-S, donc One comme un, O-N-E. c'est une méga revue scientifique éditée quotidiennement par la Public Library of Science, donc c'est une entreprise américaine, et qui est diffusée exclusivement en ligne. Donc il n'y a pas de magazine papier et, tout le reste. Donc cette étude a été menée par des chercheurs britanniques. Elle a analysé les comportements de près de 2000 Américains à travers quatre études distinctes. Donc les résultats montrent que les individus présentant des traits de schizotypie, donc euh, c'est pas une pathologie, la schizotypie positive sont plus susceptibles euh, de diffuser de la désinformation politique sur les réseaux sociaux. Super, alors euh, c'est quoi la schizotypie alors, Positif surtout. Exactement. Donc la schizotypie positive, c'est un trait de personnalité qui se caractérise par des pensées et des comportements inhabituels. Les personnes qui en sont dotées ont tendance à être euh, méfiantes, superstitieuses et à entretenir des croyances étranges. par exemple, elles peuvent adhérer au facilement euh, adhérer aux théories du complot ou percevoir des liens cachés euh, entre des événements qui ne sont pas forcément liés. Et ce trait euh, situe sur le spectre de la schizophrénie. Mhm. Mais il n'est pas une pathologie, je le disais au début, ce n'est pas une maladie, car il peut également être associé à une grande créativité et une pensée originale. Donc comment ce trait de personnalité influence-t-il la propension euh, à partager euh, de fausses informations politiques, par exemple Alors, selon l'étude, euh, les personnes présentant une schizotypie positive tendent à se fier davantage à leurs intuitions qu'à une réflexion rationnelle. Mhm. Elles sont donc plus inclines à croire et à diffuser des informations sensationnelles ou conspirationnistes sans vérifier leur véracité. La nature intuitive et imaginative de leurs pensées les rend particulièrement vulnérables aux fausses informations. En plus de ces traits de personnalité, quel autres facteurs contribuent à la propagation des fake news sur les réseaux sociaux l'étude indique que l'usage excessif des écrans, des réseaux sociaux joue également un rôle dans ce comportement. L'exposition prolongée aux écrans peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé mentale et physique, notamment chez les enfants, chez les adolescents. Alors, pour les adultes, passer trop de temps en ligne peut aussi exacerber euh, la tendance à la schizotypie positive. Cela crée un environnement euh, qui est vraiment propice à la diffusion de désinformation. Pour finir, euh, Ousmane, quelles mesures pouvons-nous euh, prendre pour limiter ces effets et réduire euh, la propagation des fake news Alors, ce sont des choses qu'on rappelle tous les jours. Il faut se fixer vraiment des limites de temps d'écran, de pratiquer des activités physiques de façon régulière. Ça, c'est encore des recommandations de l'étude, de maintenir, maintenir une bonne hygiène de sommeil et d'encourager les interactions sociales en présentiel. C'est important aussi de promouvoir l'éducation aux médias, donc le travail des journalistes et la vérification des, des faits. Cela peut aider les internautes à développer une pensée beaucoup plus critique et à résister à la tension de partager euh, des informations non vérifiées. Au Niger, par exemple, euh, la loi sur la, euh, sur la cybercriminalité est assez catégorique sur la diffusion de fausses informations. Des sanctions et des amendes sont, par exemple, prévues. Donc, raison de plus pour rester très vigilant. Super, euh, merci euh, Ousmane pour ces éclaircissements. Cette étude met en lumière des aspects importants de la lutte contre la désinformation. Nous espérons que nos auditeurs en tireront euh, des enseignements précieux. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Ousmane. Chers auditeurs, un autre tour en musique et on profite aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les amoureux qui nous suivent sur cette édition. Une autre chanteuse et actrice nigérienne qui marque de son empreinte de l'univers du Dandeli, Rekia Poussi qui nous chante Hakunso. 家把国的。 Chers auditeurs de partout où vous nous recevez, j'espère que vous avez kiffé ce son. Nous allons pour le tour en région qui nous amène à Tilaberi, département de Terra, où le conseil communal euh, de, des jeunes de Terra a été mis en place le 6 novembre 2023. Celui-ci euh, a pour mission de représenter la jeunesse au plan nationales et internationales en vue de défendre leurs intérêts. Dans ce sens, plusieurs activités de sensibilisation et de formation sont envisagées par les jeunes de la commune de terrains en vue de contribuer à la lutte contre le terrorisme et le chômage. Cependant, cette structure a fait face à plusieurs obstacles dans l'accomplissement de sa mission. Mariam, pour en savoir plus, écoutons l'entretien du président du conseil communal des jeunes de Terra, Boukari Oumarou. Il est au micro de Moussa Boukari Kanda. Quelle est la mission du conseil communal de terrain Le conseil des jeunes est mis en place dans le but de représenter la jeunesse au niveau de toutes les institutions nigériennes, africaines et Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour la jeunesse de la commune de Terra Nous avons prévu de faire une formation et sensibilisation des jeunes sur la violence basée sur le genre. Accompagner les jeunes dans l'enseignement professionnel, accompagner les jeunes dans la culture de contre-saison, sur la consommation des stupéfiants. Nous avons pensé à faire des sensibilisations au niveau des FADA ou bien faire des débat débats et inviter toute la jeunesse pour un peu parler sur euh, ce phénomène. Vu le déplacement massif des populations vers la commune de Terra, pour qu'il y ait une cohésion sociale, nous voulons faire des activités culturelles pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Comment est-ce que vous arrivez à faire les sensibilisations dans ce contexte d'insécurité Malgré ce contexte d'insécurité, nous menons efficacement des activités de sensibilisation à l'endroit de la population en général et particulièrement à l'endroit de la jeunesse. On dit à chaque fois que les jeunes contribuent au développement de ce phénomène que nous connaissons tous, l'insécurité. Donc, dans ce sens, nous avons mené assez de sensibilisation pour que ces jeunes-là prennent conscience qu'ils ne doivent pas être acteurs pour développer ce phénomène. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face La fermeté des écoles, l'inaccessibilité des marchés, ces deux points contribue énormément au chômage des jeunes. À Terra, ces derniers temps, vraiment, nous sommes confrontés à un problème de réseau téléphonique. La commune de Terra compose 25 villages. Donc, vu le contexte d'insécurité-là, nous ne pouvons pas aller dans d'autres villages. Nous ne pouvons pas aller aussi au-delà de la commune de Terra. Quels sont vos cris de cœur à l'endroit de l'État et des partenaires À l'endroit des sociétés téléphoniques, d'améliorer la qualité de ces services et réparer les réseaux qui sont en panne dans certaines localités de la commune. Nous lançons un appel vivant à l'endroit de l'État et aux partenaires d'appuyer les centres de formation professionnelle, d'accompagner les jeunes en AGR. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Découvrons à présent le portrait du jour qui nous amène à la rencontre de Roumane Toussalei, une tradie praticienne native du quartier Niamé 2000. Elle a commencé à pratiquer l'activité depuis 2017 avec son père très connu dans le domaine. Le reportage avec Omar Hama. rumanat salegi ruwakin da ya gano gwasa agogorati ta bomba boje daga kanti borbi safari teko kan borai ga beran digumo nodin nyame demil kurara nyame ludun kara borwone dai babo na gogaga agoga yon kanceeri dobu wala dumbi tun ise wala mo goyri tu wo dai anangoyowo tubu babo gano za jiri zambarin kande waicindi ana bore famandi matkan agoga teda aino gogai babu ga goyoga amma hau bore se iga hinga kandi barkan ceri wal barkan gori wal barkan mulai irkwai dinga bonara da irkwai babu gudu bani za 2017 no ay sintin gaga ay man baygiri mo barkan inda i pappun goyote charbandi boram ni amanti bor kulkan san goyote halp kason igi ton ton dai kulkan bora koy agi ci bor fosi agi ne im konda filan kwara zamin go ngono kati in konda nodin walla ati bora wan goy rumanatu na bore fama ka inga man be ga du sende inga goyora ba kan se dai jam halaka ka so mo ago kondi inga goyo jine irko hinnese kam mo igo ga dubani ayo goyo za kain sintin ka so ay mandi sandara ai kam go bara hinara reino bara kande amon bai kwasmo gne ha waina bara am kande ya cine din ka dan goyote ninno din di ni goyote akan nisi in no gihin ga bai kan gano ya din no amma mun bai kwasu ne bara kai kan da ya ci ne sale sanda amanti kala ruma na tubaba ane matkingi ze woyo wana goyo sambunda go kaninga se gumo ana borey fahamandi karruma natuwo gahinga goyote ba dinga sino to wala go kanga go gado don alhamdulillah go gado don nangi lakkalo da matkanci ne ayi bara da awo wana mu zama go wana hoyo a wani matkanci ne ba bo abde tutumno a wani matkanci na ga dalla bi mono a bi yonyum a turai kan mai go gadanya ayyuna na ga gungun zama a ga yara za zanka zanka na gara rumanat sale wadai ina bai gumo dego goyo wone wo fondara zama na borbobo yon faba a wone ni ya mo kati amma babo tubo sambu kangamo nyango na tubu Merci Omar pour ce beau portrait. Euh, au point où nous en sommes, un dernier tour en musique ne sera pas de refus. Voici pour vous le titre Unité de Berekwe. la paix et l'unité de à Afrique pour d'amour Retrouver la paix, la joie, l'unité comme au paradis Message universel, message c'est l'exemple, les armes, plus de guerre, plus de jeunesse, plus de quoi de contre l'humanité. Hey, soyez unis, ayons la foi pour un Afrique meilleur. je vous de Albe helbe, mais ya Afrika. Afrika, Afrika, Afrika, dropping all our quality groupe Béré Koya. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est le moment pour nous de parler sport avec Adam Saïrou qui est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Mira. Bonjour. Direction Arlit tous les jeunes s'apprêtent à lancer les tournois des grandes vacances Adam. En effet, la 16e édition du championnat national du sport scolaire se tiendra du 15 au 19 juillet 2024 à Arlit. Dans la cité minière d'Arlit, les préparatifs vont bon train. Le préfet s'est entretenu avec les responsables des écoles et les maîtres d'EPS pour tout affiner. Pour plus de précisions, suivant Al-Husseini Al-Zim, secrétaire général de la préfecture d'Arlit. il est au micro de notre correspondant Gungu Mohamed Antani. Championnat scolaire na espoir wanda za Arlit c'est ya kumshi de Nijar shine et eh, an ka kira jama'a dan su samu labarin da na Arlit za a yi shi. commission régionale, régionale. président kin gouverneur vice président préfet coordinateur directeur régional rapporteur du directeur adjoint na education da directeur régional na jeunesse sport akwai mambobi l'événement est national c'est la région qui devrait organiser et on a délocalisé à Arlit pour abriter les événements za a samu da sous commission da sous comité ainsi de suite mais wanga su ne manyan commission kin guda biyar wanda ya kamata des sous comités. wanda za su kamawa wanga aikin ya zamanto an yi shi dan Arlit ta hita kumiya kowa sai ya sa hannu a cikin wannan aikin kowa sai an samu mu wuri dan kowa ya kawo tashi gudunmuwa Adam, hier c'était la dernière journée de la Super League. Eh bien oui, Mira, le champion national de football de la Super League est officiellement connu. C'est l'Asgard National qui a remporté le titre de champion pour la sixième fois de son histoire. Elle a comptabilisé 73 points en 32 matchs avec à la clé 22 victoires, 7 matchs nuls et 3 défaites. Les Bérets Rouges ont marqué 65 buts pour 17 buts encaissés, avec en bonus l'attaquant international Zachary Adebayor qui termine meilleur buteur de l'exercice 2023-2024 avec 29 réalisations. Le champion l'AS National remporte un chèque de 20 millions de francs CFA et le vice-champion l'AS Fan qui a bouclé la Super League avec un beau total de 70 points repart avec 5 millions de francs CFA. Les deux équipes se préparent déjà pour la prochaine campagne de Ligue des champions africaine et de la Coupe de Confédération dont les tirages sont prévus ce 11 juillet. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam pour euh, ces informations sportives. Chers auditeurs, il est 11h passé de 43 minutes. Si vous venez de nous capter, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez réécouter sur notre site web www.studiocalango.org. Sans plus tarder, Mariam, passons au loti. Samira, pour se sentir belle, euh, bien dans sa peau et plaire à son conjoint, la femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est possible. Les détails avec Rabia Mekano et Hawa Ousmane dans notre rubrique Loti. Hey! gora wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta kin sani ko kenan ya kamata mu yi hattara gaskiya tunda kana shiga mutane kana ta tahiya sabga jikinka yana wani iska mara daɗi hmm. abun kubiyan ma kana da mai gida na gudunka <laughs> yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka to ina mahuta tun da gaskiya dai muna bakin yin mu wankan muna yi sahi da mara har da yamma ai wankan wannan kaɗai ba ya isa tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin ga kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsamin ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga sahan hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga kite ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm. babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin jikin ki lalle gora ce mini sai kuri a'a kawale ta ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwan ki C'était le loti des femmes du studio Kalangu. Accueillons maintenant Abdelmoumouni Yali pour la culture linguistique. Ce matin, il va nous expliquer le mot population en fulfulde. Bonjour Yali. Bonjour Mariam, bonjour Samira. Bonjour. Chers auditrices et auditeurs du Niger sur Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 11 juillet 2024. Comme bien indiqué, Mariam, vous l'avez bien dit que c'est la population. Chaque 11 juillet, est célébrée de par le monde la journée mondiale de la population. Notre mot du jour, c'est la population. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en hausa et en germain. Aujourd'hui, nous l'expliquons en fulfulde. Bandirabe barkinabe, kordijan weti et monon. hande ni mingari nantin de kongol françire population Sapo ego, leur lewru hitane hitande botu nyaloma ñalowma him yimɓe jama'are no wadi. jama aari himɓe de duni fa handen ko yahano ɓeydo non hitani fuu de en gaɗi eto majjum andude dimma jama aare leydi e ko wadda duni fa handen yahdu yeeso heɓo nder leydi ndi enden non gam dow majjum dimma jama aare de enden ni gomnatiji leyɗe tugoto waɗude eto mumen singude dangare mawɗe yahdu yeeso ko wattani fa handen himɓe ar ko darta cellal ɓandu mumen ni keɓa laabi ñewtigu lobbi jande lokkol de duni fa hannden ɗum annda dimma janngirɗe e janngoɓe kanaɓe adede ko watta cukaɓe leydi ɗi endan ni ɓawo janngude jaare yeeso e janndeji mumen ɗi enda dimma o duni fa hannde anndol muɗum no ko waddano gomnati eta anndude dimma ñamri keƴorni ko watta duni fa hannde himɓe kisa weelo jama are hettiniɓe sigilaji studio kala ngu dalila o duni fa hannde kan waddi nder batu ñalowma o enda ni iɗum waɗa yilaaru firtude ko e yimɓe har limore maɓɓe de enda iɗum waɗa duni fa hannden filla domude ladde e jaaye e ko nandi titta yimɓe anda no ɓe tokkira ko watta yaadu yeeso du enden ni heɓum bandiraɓe hettiniɓe sigilaji studio kala e niger sur kala jare yeso e hettinade sigilaji amin ɗi enda on barkini ñallen to jan voilà tout pour aujourd'hui Merci Nelly, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer des mots dont vous souhaiteriez avoir l'explication dans les cinq langues où nous diffusons ou en anglais sur le 82 89 89 64. Et justement, écoutons quelques-uns de vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Moussa kusara ga hangan ya studio kalangu labarai ai ga hangan gum gum gum wallahi godu bon fe cim cim cim cim gum gum dam labar da bayan kulin ga radio fo ba mayo ne ka dai da kalangu fe ngone dugi hanga din ni hanga mo ga ibobo ba ka hanfo afo mo iswasi ma pre ga ko ga fo hin ka e ga ma wallahi wo kan ai e ga gum gum france ki ne weekend e kan no iga faransa te labarai ga ba dato lendi wal mardiyan igin kiba wasu ju kanno weekend wani igi samisse in mo imu dugo faham da boy kan ma france kina imate zam san oh, ngade no yoga ba gumu gumu wa samel khadijatu wal tawlik ni sadar gan gasi i program wan kalangu ne kane a na rata shewa da program wan kalangu a de shewa asmor yan gafa wannan tidin daga wadda qalana iban misisigra at kanna samai daga an girma giya kanar mara nan da iya hasil dara tana gotnen ya gas daga amadal wa daga niger tagad daga di sidar ganin kul sai sawa da kanti hulawe ne na kana kanin ta hulle haruna tayiro tabbas ina sauraron program in kalangu abin da nake ganin cikin program in kalangu ya yi kyau kwarai kwarai tunda akwai yare da yawa da suke gayi kuma abin ga labarun niger da labarun waje-waje muna jin su shirye-shiryensu da suke gai suna ganin su bisa kan abu da yawa kwanci hankali da karatun yara labarun mata hakan ga labarun matasa duk suna ga yin su eh, abin da nake so kalangu a takara saban program in shi shine shi da mareke ne kalangu ga budewa inda son samu ne su bude da saye muna son wannan kuma su dinga kara sama yar kinsu su dinga nemo wa'ansu labaru kuma su kara muna kamar na yara hakan ga matasa muna son shi eh da ambiance gaida gaidawa ko eh na gaidawa hakan ga kamar ina gaida wa ne ina gaidawa ne wa'anda nake ga gaidawa kin Niger ina gaida iyayena da su da an yame ina gaida su ina gaida matasan bankila da duk gaba daya da matasan nijar duka gaba daya ina gaida su duk wanda ke jin gaisuwar ga ina gaida shi. sunana mamman sa'an dauda cin waza an fi sani na da mai erogan mamba ne kuma kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da ke nan jihar da magara gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna matukar kayatar da ni musamman ma shirin da ake yi nan na haɗu a fada Gaskiya shirin nan yana birge ni da kuma shirin nan na sanin doka wanda ayoyin doka ake tambayan masana doka. a ce doka mai ta ce a kan kaza to wannan shirin a labaru da ake shi yana matukar birge ni sosai sosai sai dai kuma kamar labaransa da kuke wallafawa a shafukan sada zumunta su ma suna matukar kayatar da mu amma kiran mu a gare su da su yaka yin wallafawa da hausa ma duk da al'ummar mu na nan yankin sun fi aiki da harshen hausa da za su ganin masu bibiyar su sosai sosai ina ku fatan alkhairi ina kuma gaida dukkan ganin ma'aikatan studio kalangu ma'aikatan radiyo shukura ma'aikatan dukkan gidajen radiyuka na jihar da magaram da dukkan mambobi na masu kira da sauran radiyo na afirka baki daya da kuma masu kira da sauran radiyo na jihar da magaran eh, rashin jagorancin rabin mai aski na gaida yan fada na erogan da yan burin zuciya suna na sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya mu al'ummar jamhuriyar nijar tsakanin mu da rediyo studio kalango sai yabo da shinshina da fatan alheri da kuma alasan barka tare da da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara daga likafar wannan gidan rediyo sama kuma Allah ya ƙara ma ma'aikatan ta hazaƙa da nisan kwana masu amfani ganin yadda a kullum kuke ƙoƙarin tunatar da mu da kuma sanar da mu abin da ke wakana a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar da kuma bullo da shirye-shirye masu ƙara ma matasan mu gwiwa akan neman sana'o'in dogaro da kai waɗannan kuma duk kuna yin su ne a cikin harsoshi daban-daban na cikin ƙasar tamu jamhuriyar Nijar da haka muke muku fatan alheri idan da dama muna buƙatar ku ƙara eh, lokaci a kan shirye-shiryen ku na harsunan Hausa domin mu masu bibiyar ku da harshen Hausa mu amfana kamar yadda a ɗan lokacin ma da kuka ware muke amfana. Daga bisani kuma zan dire da gaishe daga wasu daga cikin ma'abuta wannan tasha kamar su Isuho Makeri Madattai sai Mamman Sani Daudacin Waza akwai kuma wakilin ku a nan jihar da Magaram ina kaishe da shi ina muku fatan alheri studio Kalangu. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. On se fait s'aimer. Les le nous nous divisent pour mieux régner. Mais pour ces choses éphémères, le pouvoir venir à laisser. Ça coche trop vite, que feu, me mettre en Et pour tes d'été ils tuent toujours la l'amour Ils veulent tout pour eux, tout sur eux, leur raison. Et pour cela, ils tirent jusqu'à déjeter les sauts. Seulement pour toi, pour toi, ceux qui te kiffent seulement la Semblant de m'aimer si tu me détestes, faut se faire semblant. D'abord, tu connais qu'il qui a ces gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garde à mon dos, mais faut choisir ton camp. On ne te redonnait pas le tambour. On a commis de la comme pour diviser Tout pour me déguiser Et d'abord pour de et Babylone Mon gros Babylone Yeah, yeah Elle me fait pas semblant De m'aimer si tu me détestes Faut se faire semblant D'abord si connais ce qui a ces gars Ne fais pas semblant Ne me fais pas garder à mon dos Ne faut choisir ton camp On ne te donner pas le temps, L'hypocrisie, le malin, la haine, c'est mes par Babylone, Babylone Des moments comme avec un Tu jamais l'occasion de te liquider N'a gagné mon appétit Ceux qui te kiffent, c'est la même. Je connais Gamila, Taka, Yarda. Ceux qui n'aiment Magaré, que La loi qui coule sans arrêt, ceux qui n'aiment Taka, Kumya. Devenir leur manipulé d'un l'île qui Haïkiba, Laisse-toi faire, et tu sur jusqu'au os. Les Babyloniens, pour te niquer, t'approches au ramassé. Ils te rusés, juste pour te foquer S'il n'arrive pas, ils cherche un bouc émissaire Sur qui te rabattre Chérie, les autres là Les apparences sont des fortes, que des gamins La Bible fait pas le moine, prends garde avant le pire Ces dans ne peuvent jamais te qui fait le nourrit ce sentiment T'as perdu et leur souhait le plus profond. Le tram coups, babis, bah écoute des choses bidons. Sales opinions n'ont pas de plan font partie des pions. nous clair de Satan, laissons le temps au temps. Et tu nous vaincus, mouriront les pieds à l'air. Elle s'est gommé mon appétit, destination à faire. Les approuveront, qui désapprouveront un what dingue. Gamé, gamé de gauche à droite, la honte sociale. pas semblant de m'aimer si tu me détestes. se faire semblant d'abord tu connais ce qui y a. Ces gars ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Ne faut choisir ton camp, on ne te redonnez pas le le le c'est mes la Babylone de Kamikaze Liman que euh, Seini a dédié spécialement à Tawenya que nous clôturons cette émission du Niger sur Kalangu de ce 11 juillet. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos intervenants et vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À la présentation, c'était Samira Rouafi et moi-même Maria L'édition était assurée par Adam Adawaki et la technique, c'était tout simplement Sen Isaka. N'oubliez pas de rester connecté pour la suite de nos programmes à partir de 17h. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée à demain pour de nouvelles émotions radiophoniques.